Euh, allez-y ah, non non allez-y euh, de mm-hmm. manière subtile laa bëggoon xam naka la ñu mën a jëriñoo li nga xam ne pétrole bi ak gaz bi parce que dañu gis ni pétrole ak gaz fépp fu muy ball rek ay tension peut-être du fa ñàkk naka lañ ci mën a muccee ñun waa Sénégal waaw man de fayoon naa sama micro doon waaj dem sax parce que dama bëri ay engagement <laughs> mhm. euh, ah. te man xam nga ci débat dama yaru trop mais bi Binta di wax mhm. dama ko bañ a couper mhm. parce que am na benn côté boo xam ne dama fa bëggoon intervenir mais xam nga nit ki boo ko couper Mm-hmm. mën nga ko dévier de son fil. Mm-hmm. perdu son fil donc ma parce mm-hmm. que attiré investissement en matière de recherche et de prospection pétrolière et gazière. que alal donc euh, objection. mu objection parce que wane euh, ni quand même moyens de télédétection soxlawul nee ngay ngay nekk sur place pour def ay relevé. am na bagage macha donc euh, loolu. gis nañ ko ci euh, lañu ñu euh, multinationales yi di naxee. surtout te loolu aussi lañuy transmettre suñu ingénieurs yi comme quoi recherche pétrolière dafa diis technique coûteux. ba nga xam ne ba noppi c'est des risques. Mhm. mën nga seet ba sonn doo am c'est beaucoup de risques il n'y a plus ces risques-là. Parce que nous sommes à l'ère de la télédétection. Il mm-hmm. faut insister. Par rapport aux gens de Petrocène qui nous ont tout le temps servi ça, mm. télédétection, depuis Djaouji, depuis satellite, mm-hmm. nous exactement le nek qui souci, voilà, qui Si base, Bob, les def doivent délimitation def jox mm-hmm. la ay coordonnées UTM ni la fii ak fii ak là ak pourquoi mon mu périmètre exactement Hmm? dafa am liggéey bu ko tout mu tànn benn périmètre. mom mhm. lay dossier mom lay déposer def ko demande. Mhm. fekk na en plus de la télédétection am na lu relevé euh, relevé aéromagnétique. Mhm. d'accord campagne aéromagnétique c'est des avions <laughs> bourrés d'électronique <laughs> qui survolent la zone à prospect. pour affiner ah, ah, <laughs> pour affiner la recherche. Ah, exactement. pour affiner la recherche. Mhm. donc profondeur yoy nga mhm. zone orange verte rouge yoy nga don wax. c'est ça nga affiner pour am une idée. de l'estimation du potentiel Les Légui lolu ñom buñ ko le permis qu'on leur a donné mm, mm. devient un prouvel. ils donnent 3P. Madame, permis le mm-hmm. mm. c'est prouvé que y ressource sur l'étendue des moyens le coût. Mm-hmm. Euh, des recherches pétrolières parce que nous, devons koy défalquer dans les contrats. Mm-hmm. je crois que prochainement dans indi contrat nous allons les les clauses essentielles d'un contrat. On na solo waaw nit ñi xam lan contrat je crois que c'est mm-hmm. na. Mm-hmm. ñu vulgariser Sénégal yëpp ñu faire. même même si c'est pas des contrats tels que yu ñu signent, mais quand même des drafts. non c'est pas des drafts des contrats euh, signés je vais amener le contrat de G G GTA. Mm. je vais mm. amener le contrat de Sangomar ah mais mais bah, oui, ah, avec la de hein. Macky hein? tampon caché révélation de révélation mais, mais, il faut voir quand même par rapport aux clauses de confidentialité sur le contrats surtout avant non, de les, clauses de confidentialité ah, hmm. ne m'engage pas voilà vu que il y, a, une clause qui ah. dit mm-hmm. euh, il est euh, comment comment on l'a libellé la clause de confidentialité ça ça me ça me reviendra parce que tellement je connais le code. Hein? Mm-hmm. non non le c'est pour les contractants. non non le non disclosure parce que dans le contrat de non non disclosure ah. c'est c'est au niveau contractuel. Mm-hmm. mais ah. au niveau du code lui-même il y a une clause de confidentialité. ah waxuma NCD ah ok donc au niveau du code pétrolier et du code minier il y a une clause de confidentialité qui interdit à tout agent de, relever, de, révéler les, renseignements recueillis auprès des titulaires de titres miniers. C'est ce qui n'est pas normal. ça, c'est de l'opacité, c'est pas, pas, de la transparence. C'est pas, pas, ah, de la transparence. Donc, pour, pour, pour, poursuivre mon fil, mhm. les coûts pétroliers, c'est-à-dire les gens, qui dépensés, qui ont milliards, qui recherche, euh, développement, et moo pétrole gaz la wala or. pétrole le gaz. Mhm. dañ la remboursé. Mhm. loolu le des coûts coût pétrolier. Mhm. ci cost oil. pour pour ki nekk cost oil cost oil. ça ne nous parle pas cost oil. c'est vrai donc recouvrement des coûts pétroliers yooyu mooy ñoom Nous dépensé ñun dañ leen fait. encore titre euh, euh, télédétection. relevé aéromagnétique. un permis prouvel. Mhm.

kayit yooyu moy lever ay fonds en bourse lépp kay léegi fonds ah. yooyu mu lever en bourse nak mom mhm. lañuy investir après ñun ñu fay len ko. d'accord mm-hmm. muy melni ñu ci len le titre foncier. ñu defal la euh, nu mu tudd affectation. fi ben 2000 m2 comme je dis. Mhm. centre ville wala Almadies nga xamni m2 carré bi c'est au moins 1 million. Mhm. c'est au moins donc 2 milliards. légui mu nek mu nek mu nek mu nek ce titre. ñu defal lako mais yow lever nga ay fonds. parce que dafa reliable you know is a reliable document pour banque yooyu banque bi xam na ko légui, donc loolu doy na pour mu pour mu financer la au droit réel les titres miniers sont hmm. inscriptibles au droit réel comme ni nga amé sa terrain mu nek droit réel non la ñuy inscrire titres au droit réel donc ça veut dire que tout le monde peut consulter hmm. maintenant euh, il faut avoir des <laughs> des entrées pour avoir accès hmm. au cadastre minier exactement donc nous moi, je peux avoir accès au cadastre. D'accord. Alors, allez-y. Mais, mais, mais, mais, mais Binta, je suis. Je, je, je, non, il avait déjà des engagements. J'avais des engagements depuis 17 heures. On a, on a mis du temps à démarrer. D'accord. Et c'est indépendant de notre volonté, vraiment. Mhm. Mais euh, désormais, elle sera avec nous. Parmi nous. Et, on, on, on, pourra. À partir d'aujourd'hui, quand même, Parce que mhm. elle, m'a, elle m'a un peu boosté. Mhm. Elle m'a permis d'aller un peu en profondeur. Mhm. Parce que là, je ne man pas wala mak yow kessé xeyna kon on aurait peut-être pas parlé de relevé aéromagnétique euh, de sismique comme ça parce que lolu xeyna mëna bourrer opinion bi donc on aurait peut-être pas parlé de clause de stabilité euh, dans les termes yi ñu ko waxee. jeudi prochaine foofu donc euh, voilà donc ñu jox rendez-vous. Euh, jeudi euh, prochaine dañuy eggali affaire incha allah pour faire euh, ça tous les tous les jeudis. <laughs> tous les jeudis maa ngi leen di bàyyeeg Binta Diallo. Fall ak ak Guèye Fara. ñu àggali may jéggalu nag. Ah, mais jéggalu ça va ah, ah, on a compris on a on a commencé un peu tard. quand même. un peu tard c'est vrai waaw waaw may jéggalu bu baax waa waa Kéwoulo TV. Mhm, ñu ngi lay jaajëfal bu baax baax. vraiment merci beaucoup merci beaucoup donc on attend les contrats pour la semaine prochaine. D'accord. Inch'Allah. Merci beaucoup. <laughs> Merci, beaucoup. Mhm. Allez, au revoir. Merci beaucoup. En mhm. fait, euh, par rapport à ce que je expliquer Tout à l'heure, c'est vrai. Je que wax dafa am ne la mhm. te nit ñi a fu mu Qui euh, sa ko ci business. non parce que business il faut foo xam ne bu fa mhm. sur la bancabilité sur la viabilité Il faut dajale des documents, ci ressources pour nga yow yóbbu ko ci banque mhm. parce que banque moom moo yore xaalis bi tamit fay effectivement. Mhm. maintenant ça se fait par rapport à une certaine euh, confiance que la banque a par rapport à l'expérience par rapport à beaucoup de choses beaucoup de critères d'ailleurs. Les su ñu defee ba pare ba ñu ñëw mais vous faites par exemple tu as un contrat disons par exemple que la société vient nous avons un milliard pour faire l'exploration mhm. mais euh, l'exploration mais quand il fait l'exploration mhm. mais il ne paye pas avant l'exploitation mhm. il va payer durant l'exploitation et durant de de nombreuses années et puis à des taux pratiquement nuls d'accord c'est que maintenant comprendre ñu parce que l'argent coûte cher mhm. xam nga l'argent coûte cher euh, des fois duñ comprendre parce que dañ on lu cher xal sa koy fay mhm. mais l'argent coûte cher pour avoir aujourd'hui de l'argent dans une banque pour pouvoir investir dans des projets aussi énormes parce que c'est des méga projets méga projets c'est vrai li mu laaj dafa bëri mhm. fii benn société sénégalaise amu ko fi kan ma ko fi mën kenn tey jii bu ñu par exemple les sociétés les grandes sociétés ce serait la SAR la SAR ne peut pas parce que la SAR déjà elle n'est pas 100% sénégalaise parce qu'on a quand même un ay Total qui est dañ ci am euh, bon il y avait aussi Saudi qui je pense est sorti. Mhm. il me semble qu'ils sont sortis Saudi Ben Laden. Mhm. depuis longtemps. Donc, -hmm. donc société yooyu nous tey capacité de supporter des investissements de cette taille. Mhm. ils ne peuvent pas mais ce que les banques c'est sama gis-gis on prend une partie nous ni le la pour première exploitation bi ñu quand on commence à travailler mais le Sénégalais le Sénégal lui-même le gouvernement peut faire appel à des fonds pour pouvoir supporter le projet en faisant en quoi faisant on fait parce que tak sénégalais yi dañu intelligent il faut le reconnaître hein. qui sont dans le domaine du pétrole et du gaz tu en trouveras partout mhm. soo demee Saoudi da nga leen fay fekk nga dem sa euh, Russie sax da nga fay sénégalais yi ñu dans le pétrole ils sont partout donc les sénégalais yu bëri xamuñu ko aussi hein. ah si si ils sont nombreux attention ils sont nombreux à travailler dans le secteur du pétrole du gaz ils sont nombreux mais ils da nga ay nit la ñu tu fais appel à ces gens là mhm. nga les nga mën les mettre ñu liggéeyal la suñ dossier mais tu fais un appel d'offres surtout ils viennent ils viennent les majors viennent parce que c'est normal aussi lay Ils nga ni appel d'offres Nous, ils appel d'offres mhm. appel d'offres Sénégal mhm. d'accord concession des choses comme ça comme on fait avec avec avec avec mhm. euh, et tout d'ailleurs mais 5% ou 10% ça est-ce que nous avons Ousmane Sonko xam mu day def diaspora mais ça devait se passer comme ça pour ça devait se passer comme ça c'est-à-dire que comprendre ni bon peut-être que économiquement parce que à l'époque aussi il faut reconnaître qu'on était quand même un peu euh, mhm. parce que bon la dette était là mhm. bon après même pour la dette je vais revenir là-dessus parce que moi la dette j'ai pas de problème là-dessus mhm. euh, il faut qu'on soit endetté pour développer si on n'a pas de dette on ne peut pas se développer c'est la confiance c'est la crédibilité te crédibilité vous, il faut le reconnaître Macky Sall a montré des preuves pour que nous nous ñu lebal <laughs> lépp moom alaa kulli dafa baax xam nga bon ko xamante ni la lebal abal il faut parce que nit aussi bu lay lebal day xam ndax mën nga ko fay ñom euh, le président Diomaye Faye qui est en train de venir avec tout son gouvernement dans 5 ans 10 ans mais suñu lebul dañuy xoju mm-hmm. lepp dafa xew ci adina mm-hmm. dañuy lepp mm-hmm. dans le cadre des des affaires d'État dans le cadre du business dans le cadre des affaires euh, privées toujours leb dafa am importance mais leb qui, qui ñuy label dafa am lu muy que ñuy label da am crédibilité mm. mais ku ñuy label aussi da ngay fay. voilà je pense que Sénégal est un bon élève par rapport au paiement ak schedulement euh, paiement yu muy def. c'est vrai so am non solo. donc li ñu waroon def mooy. Mm-hmm. ñu Sénégalais yi les regrouper leen. Mm-hmm. ñu xool fan la compétence yi Nous ñu jël monter des dossiers mais on fait des appels d'offres mm-hmm. mais quand on fait des appels d'offres c'est toi qui donne les lignes directrices parce que aussi le Sénégal à un moment boo en pétrole lever des fonds pour pouvoir payer en tant que comme des SPV c'est major, ça ne posera pas un problème. surtout. ça ne poserait pas un problème mais pourquoi on ne l'a pas fait moi ça je ne l'ai pas compris. espérons que dina parce que nak man dama bëgg sama yëfi bop man dama bëgg xam nga li ñu naan alalu golo ci lex ba. Mhm. ñoko mom mhm. man loolu la gëm. Mhm man loolu laa man sama yëf duma ko jox nit ni ko defaral loo amee après nga jox ma lii duma ko def mhm. te parce que affaire bi bu ñu ko yóbbu fu kawee nañ ko yóbbu comme sa koñ ak sa boutique rek mhm. c'est tout surtout c'est vrai il faut pas aller trop loin comme ça ñu mën ko régler mu basé mu wàccee bu wàccee boo ko wàccee foofu ci niveau boobu alors tout le monde comprendra que y a eu une précipitation qui ne dit